Euh, madame, mademoiselle, euh, monsieur, euh, bonsoir. bienvenue au stade Ngaland pour son pour Baïzal, pour qui pour qui amener moi cher, cher contré. Ah, ça va lui Genoul, wa de Kondo, nous demandons de rôle, à Dizala, le centre de Balambi, repoussé par qui amené. moi am qui vous venu défendre waaye bal dafay génne yoo moi ne corner avec la Avec expérience donc nous attention attention. Alpha la frappe repoussée par Pambay. Nous éviter euh, yenn yenn erreur yi parce que ak yenn yenn ñak concentration yi waratul du côté de e Alpha parce que équipe bu mag la bo xamné à chaque fois que muy entamer une rencontre Alpha. voilà mais verticalité bi ñi la arrangé de. aca pour kan pour euh, Poti contre bala ñu wat ci calmer euh, moy Keba mu changer côté. pour Amdi mu teg bal de si dënnaam dafay provoqué est-ce que dina jàll def na Amdi dans la soirée patient Amdi qui va frapper directement dans les bras de Courtois et que pourtant Accra euh, qui a le même moyen de réclamer le ballon. réclamer le mais Amdi il a éliminer son adversaire est le ci de day pousse Il pousse bu baax. axe bi pour permettre défenseur bi mu décrocher. mu tegal ko tranquillement Alpha. Hmm. récupéré par euh, Cher qui introduit euh, pour qui a moyen Amdi Amdi qu'est-ce qu'il va faire il va centrer directement c'est l'oreille qui a le même Courtois le portier de Kondo de Wakam bu koy paas tours, doser voilà da kay doser. day bu mais si on défense bi la kay def ci axe bi. Mhm. pour permettre Ngagne mu dem directement. Euh, direct attention cette balle xooy. bousculé que dit l'arbitre Il a faute y a faute plus euh, carton jaune euh, de Hassan Diallo qui n'est pas d'accord sur la décision de à son adversaire parce que la position bi ñu am duñu duñu gis ñun. bu baax waaw voilà mais bu dee épaule contre épaule dara amu fa. ah mom moy waaj dor li lii euh, franc bi ki amné ah moy ñing euh, ah, arbitre bi sule na coup franc bi euh, dem non repoussé par le portier de Asec Ndagunov ki amné ah moy Pambay ah, le coup franc était vraiment ah, bien cadré par ñing le latéral gauche de Kondo c'était bien tiré Alpha. C'était bien tiré en pleine licarne, mais il y avait la vigilance de Pambay avec son expérience alpha, parce que Pape aussi il a de l'expérience alpha 6 il a été formé par euh, euh, euh, Jambar mais demna demna en Europe def ay un club bari bari bari avant de revenir au Sénégal. ballon je suis lay da pour jëm ses partenaires Je suis aussi que petit Je le côté gauche pour dans la va frapper pourquoi frapper il avait la possibilité vraiment de faire un de, de, redonner. Ah oui, c'était bien joué d'abord de la part de Gagne d'abord. Ouais. Mais eh, Keba aussi, si contrôle bi, s'il éliminé son adversaire Alpha, si contrôle bi, éliminé. Aussi, atia nga y a deux de Kondo Parc am à ah, moyen euh, d'épaule, à moyen joué cette balle pour qui pour euh, Neymar Neymar dans ses œuvres. Neymar. Quand lay jéem a déborder jàllal na kenn lu muy defaat dafay jéem a pousse pour essayer de voir. Il na li nga corner. Il a nëbb li nga corner la frappe euh, le poteau, le deuxième euh, ballon. Ça attention. Fait, et que, elle a pour, pour récupérer cette balle. Mais la frappe a qui a touché le poteau. Effectivement. C'était bien joué. Il y avait danger. Il y avait danger. De Dekendo à Dawaka, mais une équipe joueuse quand même. Bolen leen seetloo nga individualité yu baax a mais yoo xam nañu différence. mais le deuxième ballon euh, qui a amené mooy xool m'aurait dégagé pour écarter dans la vie. et voilà craqué à ah, ce ah, l'arbitre central euh, disciple les nga à la fin de cette première euh, période. Khairoul bu aussi. Mm. Ah, qui reste à très concentré et serein derrière. Mm-hmm. et le sud pour bañ en encaisser. Keba a quitté euh, cette fois-ci Keba a marquer le premier repoussé taclé par le défenseur Kranjai qui a amené. intercepté ballon Pour ce que tu ci surface de réparation mais passivité bi ak ak ak yéexaay bi Keba am. Ah, rapidité d'exécution bi mu ah, waroon am pour ballon bi moo voilà rapidité d'exécution bi war la Keba tugaat na mais dama ne ah, génnu génnu Courtois man na nek handicap alpha pour équipe bu voilà voilà waaw na nek handicap foo demee mën na handicap coup euh, franc entrant repoussé par le potier pour son premier ballon le deuxième ballon la reprise a manqué de Petit wa dekondo dégage Aca Petit ñëwaat wan def na faute je veux que dans l'entrejeu à tenir de ko nous ginnaaw ñu dégage dégagement ah, heureusement que ki a ne ah mooy ñi là ah, cette balle pour qui pour Mbaye euh, du côté de Dekondo qui est dans l'entrejeu def na le dribble parce que si espace bi il n'est pas au jeu Neymar Neymar il n'est pas au jeu Neymar ah, qui va centrer la tête euh, de Khoy à côté c'était bien joué Alpha mais Accra, est-ce qu'il n'y avait pas au jeu de Neymar En tout cas, en tout cas, c'était bien joué, bien introduit par, euh, à l'attaquant, par le milieu de terrain numéro 6, Alpha. Un très bon ballon à Intervalbi pour retrouver ensuite à son attaquant à, gauche qui est Neymar, le numéro 11, qui est très rapide Alpha. Momit aussi, Modef, un, joli centre en deuxième apportant. Malheureusement, à pour Mom, à son partenaire, à ah, mbëkk na ballon bi mais c'était pas cadré Alpha. Euh, de chair de de Kondo rapidement joué par les quoi avec Kalnomo et Keba qui dépasse la ligne médiane Keba qui décale sur le côté droit euh, pour Kalnomo euh, Yangel monitorat pour Keba qui va centrer repoussé par le postier Djibi il est chaud le, le gardien de but ah, Djibi ah oui Djibi il est chaud hein ah, Mungé Mungé Wanene Mungé Wanene il est là Alpha Mungé Wan ah, c'est ses, ah, ses, partenaires que mën nañu compter ci moom Alpha 6 parce que le premier gardien de but bimu mu le gardien titulaire amon nañu a a a a jaaxle touti amiin fi mu jogé amiin góor mag. waaw ah, moom moo def euh, longue touti akra je crois que mauvaise touche le arbitre bi wax mauvaise touche de Youga mom la l'arbitre arbitre wax euh, donc refaire là avantage euh, ñi nga xam ne ñooy waa dëkkandoo. de ah, waa je crois que c'est fini ah. yaakaar match bi bu ñu amul. amna am de partage bi lay don partage lay nek un point à chacun. Ah, pour l'équipe de dëkk de visiteur avec aussi voilà c'est terminé voilà euh, c'est terminé à match nul entre euh, ASEC et de et et de